Comment développer la zone saphène est une interrogation importante pour tout Safi. Des points majeurs comme la protection de la culture et les valeurs Safi, la protection de nos ressources, sont au cœur des débats. Le podcast des MP est là aujourd'hui pour vous donner l'occasion de partager vos points de vue avec toute la communauté Safen. Merci de nous suivre et à bientôt.